forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou 18h passé de 15 minutes. Bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission quotidienne Le Forum du Studio Kalangou une émission qui vous éclaire sur tous les sujets et qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Les programmes du studio Kalango sont diffusés en direct sur 34 radios partenaires à travers le Niger et ce du lundi au vendredi de 17h à 19h et les week-ends de 17h15 à 18h15 minutes. La qualité des soins dans les centres de santé publics et privés, c'est le thème qui nous réunit ce soir. Comment sont organisés les services destinés à offrir les soins de santé au Niger Quels sont les avantages et inconvénients constatés dans le système Quelle est la réalité des capacités techniques et opérationnelles des centres de santé quels sont les efforts que fournissent les uns et les autres pour améliorer davantage la qualité des soins au Niger Quelles sont les pratiques qui empiètent sur la qualité des soins et qui ont cours dans les centres de santé publics ou privés Quelles sont les principales difficultés que rencontrent les usagers dans les centres de santé publics et privés Qu'est-ce qui explique cela Comment y remédier Ce sont là, entre autres questions, auxquelles nous espérons trouver des réponses instructives avec nos invités. Madame Traoré Zenabou, technicienne adjointe de santé et membre du le regroupement regroupement des organisations et associations du secteur euh, de la santé au Niger. Bonsoir, euh, madame. Bonsoir, monsieur. Et Bao Goubakoy, directeur général adjoint de l'hôpital national de Niamey. Bonsoir, euh, monsieur le DG adjoint. Bonsoir, Alassane. Présentation de cette émission, Alassane Kouzi Mahamadou. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le forum de ce soir porte, je le disais, sur la qualité des soins de santé dans les centres de santé publics ou privés une question d'actualité car les services des centres de santé, tout le monde y a recours un jour ou l'autre. Avant de rentrer dans le vif euh, du sujet, euh, je voudrais tout d'abord euh, qu'on fasse un petit tour de table pour une brève présentation des structures respectives que chacun représente ici sur ce plateau dans cette émission. Je commencerai avec vous, Bao Goboko, directeur général adjoint de l'hôpital national. Une brève présentation de l'hôpital national de Niamey. Ok, merci euh, Alassane. La structure que je représente ici, c'est l'hôpital national de Niamey, qui est un, établissement public à caractère administratif, n'est pas, Il est créé en 1922, ça veut dire dans 4 ans, il aura 100 ans. 100 ans. Et d'ailleurs, même la chose sur laquelle on va s'atteler pour pouvoir voir dans la mesure du possible comment fêter son centenaire. Mm. Actuellement, l'hôpital national de Niamey a une capacité théorique de 1000 lits, mais la capacité réelle, effectivement, pratique, effectivement, ça fait 780 lits. L'hôpital national de Niamey utilise 1200 agents, toutes catégories confondues et toutes spécialités confondues. L'hôpital national de Niamey, effectivement, regorge de toutes les spécialités pour prendre en tout cas la plupart des pathologies. Nous allons revenir à vous. Euh, le temps de donner la parole euh, à Mme Traoré Zenabou du Roasen, le regroupement des organisations et associations du secteur de la santé, Madame, une idée de, ce que c'est que le ROASEN, euh, son champ d'action Le ROASEN, c'est un regroupement des associations et ONG du secteur de la santé. Son champ d'action, c'est dans tout le pays. Il regroupe à peu près 70 ONG qui travaillent dans le secteur de la santé l'objectif, c'est de contribuer. Euh, c'est de contribuer à l'amélioration de la qualité des soins des patients ou de la population. Nous faisons de la protection sociale et on se complète par rapport aux, par exemple, les vaccinations et autres, à la recherche des enfants perdus de vue de la vaccination dans le système de santé. Peut-être que vous voulez, je sais pas, je ajouter quelque chose effectivement tout à l'heure lorsque vous m'avez retiré la parole, mhm. parce que euh, ce qu'il est important de comprendre, c'est d'abord la mission de l'hôpital. L'hôpital a principalement cinq missions. L'hôpital fournit des soins tertiaires. Qu'est-ce qu'on appelle des soins tertiaires Ça veut dire des soins effectivement de troisième niveau. Ça veut dire que ce que le CSI ne peut pas prendre, il envoie au niveau de l'hôpital de district. Ce que l'hôpital de district ne peut pas prendre, il envoie au niveau du CHR. Et nous devons prendre ce que le CHR ne peut pas prendre. La deuxième mission de l'hôpital, effectivement, c'est la prise en charge des urgences. Là, effectivement, quand il s'agit des urgences, on amène à l'hôpital national. Maintenant, l'hôpital a une mission de recherche et l'hôpital a une mission de formation mhm. et l'hôpital a une mission de mise en œuvre des programmes de santé publique. Mhm. Donc voilà les cinq missions sur lesquelles peut-être nous allons revenir. Parce que c'est en fonction de ça y a qualité de soins. Bien. Avant qu'on rentre un peu plus en profondeur, est-ce que vous pouvez nous donner d'amples informations par rapport à l'organisation même du système de santé au Niger J'ai oublié de rappeler que nous avons envoyé, en tout cas nous avons invité le ministère de la Santé et malheureusement, en tout cas, euh, on n'a pas encore eu euh, de répondant pour, ce débat. Donc, euh, effectivement, s'ils étaient là, ils, eh, allaient, répondre amplement sur, sur cet aspect, mais étant donné que vous-même vous y avez travaillé, <laughs> bon, d'accord, ok, effectivement, le système de santé du Niger, il est pyramidal, il est constitué de trois pyramides. Ça veut dire de trois niveaux. Il y a le niveau opérationnel, le niveau régional et le niveau national. Ça veut dire que nous avons au niveau opérationnel tout ce que font les centres de santé intégrés et les hôpitaux du district. Maintenant, du point de vue technique, au niveau régional, c'est tout ce que effectivement font les centres hospitaliers régionaux et les maternités de, euh, référence. régionale et en même temps les centres mères-enfants, Ils se trouvent au niveau du niveau régional. Mais maintenant, le troisième niveau, effectivement, c'est là où on va parler des soins tertiaires les soins tertiaires, effectivement, se constituent par des soins qui sont fournis par les hôpitaux nationaux, par les centres de référence nationaux Ça veut dire qu'il y a les hôpitaux nationaux, il y a la maternité nationale de référence, il y a d'autres centres nationaux mhm. de référence. Donc, ce qui se donne au niveau régional, c'est ça qu'on appelle les soins secondaires. Et les autres, effectivement, c'est ce qu'on appelle les soins primaires. au niveau, et maintenant au niveau, à notre niveau, par exemple, au niveau national, les soins tertiaires. Mhm. De troisième niveau. Madame Traoré Zenabou, euh, cette structure euh, technique euh, du système de santé organisé tel que, est-ce que vous pensez que cela présenterait éventuellement des inconvénients pour les usagers qui souvent ne comprennent pas toujours comment ce système. Les, les usagers ne respectent même pas ces niveaux tertiaires, primaires et secondaires. Je dis ça parce que Souvent, un patient, quand il se lève, au lieu d'aller d'abord au secondaire, il va directement au tertiaire. C'est ça l'inconvénient, ce qui fait que nos hôpitaux sont bondés. Il y a toujours trop de malades dans les hôpitaux. Alors que normalement, un malade, s'il se lève, il doit d'abord aller dans un centre de PMI, dans les hôpitaux des districts régionaux, quoi, chaque région. Mhm. Et géographiquement, ils doivent aller dans leur centre de santé qui sont dans leur quartier, dans le plus proche. Mhm. Mais quand ils se lèvent, c'est directement l'hôpital. Si c'est un accident, c'est directement l'hôpital. Même si c'est un petit bobo, on ne s'arrête pas et, au centre de santé du quartier. Cela nous amène justement à rentrer un peu euh, dans la deuxième euh, partie de cette émission concernant les principales difficultés que rencontrent euh, les usagers. Est-ce que vous avez cherché à savoir ce qu'on sait pourquoi les gens sont, ont tendance à aller directement au niveau des grands centres Est-ce que ce n'est pas parce que au niveau des, centres primaires, les soins ne sont pas toujours, ne répondent pas toujours à leurs attentes Même si les soins répondent très bien de l'autre côté, ils préfèrent aller à l'hôpital parce qu'ils se disent que l'hôpital, c'est un endroit où ils vont trouver les soins peut-être un peu gratuitement parce que l'hôpital prend en charge des malades qui n'ont même pas d'argent par rapport aux examens, aux soins. Si tu n'as rien, tu vas à l'hôpital, c'est pris en charge. C'est un système que l'hôpital a mis pour traiter les malades qui n'ont rien, des cas sociaux, des accidentés qui viennent rapidement et qui n'ont personne avec eux. Ils prennent des engagements. Et vous pensez que c'est ça peut-être qui attire, euh, qui attire les gens Le plus souvent. Le plus souvent. Bien. Et tu viens, tu dis que tu n'as rien. Tes parents ne sont pas là. Donc l'hôpital a un système d'engagement. Soit tu as une carte d'identité, on te donne un engagement ou bien on te donne un engagement sur honneur si tu n'as pas de carte d'identité. Et quand tu auras cet argent-là, tu reviens pour payer l'hôpital. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne reviennent pas et c'est ça qui tire l'hôpital vers le bas. Ah, nous allons donner la parole au DGA, directeur général adjoint de l'hôpital euh, en question, l'hôpital national en question. Euh, est-ce que ces problèmes que soulève tout à l'heure Mme Traoré et notamment le fait que les usagers ne respectent pas souvent la chaîne du système de santé, c'est l'une des raisons euh, je voulais un peu revenir, avant d'aborder votre question, mhm. effectivement revenir sur le... Tout à l'heure, vous avez posé la question à savoir est-ce que ce système... Représente, des inconvénients. Sincèrement, moi, pour avoir travaillé à tous les niveaux de la pyramide. J'ai travaillé dans un CSI, j'ai travaillé dans un hôpital de district, j'ai travaillé dans un CHR, j'ai travaillé à la région, j'ai travaillé pour avoir travaillé mhm. effectivement sur tout le euh, système de la dent. Mhm. Mais je vous avoue effectivement que ça, c'est un système parfaitement conçu. En tout cas, pour donner des résultats qu'il faut. Mais maintenant, la façon dont il a été conçu, si chacun de nous respecte cette pyramide sanitaire-là, il y aura beaucoup de problèmes que nous aurions déjà dépassés. Mais malheureusement, nous assistons à quoi À ce que les enfants parlaient des séances de saute-mouton. Sinon, le système à lui-même, effectivement, n'a aucun inconvénient. Le système est parfait. Et d'ailleurs même, c'est dans la sous-région, c'est pratiquement la même chose. En tout cas, c'est un système qui répond à la bonne organisation de, euh, de, au bon système de l'Organisation mondiale de la santé. Maintenant, pour revenir à votre question, le pourquoi, effectivement, qui a ces jars, ces séances de saute-mouton, Madame Traoré, effectivement, vous l'a évoqué. Et je vous avoue effectivement que Mme Traoré, sauf si par ailleurs elle ne vous l'a pas dit, c'est vraiment un agent qui a passé toute sa carrière au niveau de l'hôpital national du Niamey, mhm. depuis son jeune âge jusqu'à sa retraite, ça ne fait même pas longtemps. Donc elle connaît pratiquement tout. En plus de ça, vous savez, c'est que euh, il y a tout ce qu'elle vous avait dit, elle vous a dit. Mais en plus de ça aussi, ce qu'il faut retenir, c'est que la recherche de la qualité, là, c'est une question de perception. Chacun de nous, effectivement, a sa façon de voir la qualité. Mhm. Il y a de façon accessibilité dont elle parle, mhm. mais aussi de façon... Aujourd'hui, lorsqu'on dit que nous avons toutes les spécialités, comme je vous l'ai dit, mhm, mais chacun préférait, effectivement, aller vers ces spécialités-là que de se faire traiter peut-être à la périphérie. Et deux fois aussi, il y a la sous-information. Il y a la sous-information aussi de la population. Pensant que c'est seulement à l'hôpital qu'on peut trouver de la qualité, donc on ne pas utiliser les centres qui sont à la périphérie. De sorte que vous allez voir, l'hôpital est devenu des fois, moi, je dis, à tort ou des fois à raison, je dis que non, l'hôpital n'est pas un hôpital de troisième référence, mais un hôpital, un gros dispensaire ou un gros CSI. Où vous allez voir. De tous les niveaux. bon, de tous les niveaux. Ce qui veut dire que aujourd'hui, lorsque nous faisons nos statistiques, les maladies qui ne doivent pas venir à l'hôpital, aujourd'hui prennent le pavé, c'est eux qui dominent. Un palu simple, je ne dois pas mhm. l'avoir à l'hôpital. Un palu simple, je ne dois pas l'avoir à l'hôpital. Mais malheureusement, aujourd'hui, lorsque nous faisons nos statistiques, vous allez voir palu simple trop élevé, plus élevé que le palu grave. Mhm. Monsieur le DG adjoint, au niveau des autres niveaux du, système primaire et secondaire, est-ce que les ressources humaines, les ressources matérielles sont euh, en tout cas acceptables pour ne pas acceptable, amener les les gens à, être découragés et puis à se rendre. Non, bon, ah. acceptable, j'allais dire. Mais ce que je sais, effectivement, ce que je sais, si je prends la ville de Niamey dans laquelle je suis, mm. aujourd'hui dans la ville de Niamey, le personnel qu'il y a dans la ville de Niamey, moi, à mon humble avis, ça n'engage que moi. Mm-hmm. C'est suffisant. Nous avons du personnel à la périphérie. La seule chose, c'est nous asseoir pour pouvoir organiser ça faire de sorte que qui doit aller au CSI, quand tu es arrivé au CSI, qui doit aller à l'hôpital de district, qui doit aller au centre régional, qui doit aller à l'hôpital national. C'est ça. Cela doit être fait parce que ce n'est pas encore le cas. Et non, c'est fait parce que moi, j'essaie effectivement, j'ai assisté avec le ministère de la Santé où nous avons élaboré une stratégie de référence et contre-référence. Mhm. Référence et contre-référence, ça veut dire quoi, effectivement, mhm. de référencement mhm. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est un schéma c'est un document que nous avons élaboré. Mhm. c'est Dans ce document-là, effectivement, chacun se retrouve dans sa place et chacun avec son paquet d'activités. Mhm. Voilà ce que moi je dois faire. Et lorsque ça me dépasse, là, j'envoie à tel niveau. Lorsque ce niveau-là est dépassé, lui aussi, il doit s'aller à, envoyer à tel niveau. Et c'est comme ça, effectivement. Nous-mêmes, lorsque les hôpitaux ne peuvent pas traiter la personne, et dont on sait effectivement qu'à l'étranger, on peut le prendre en charge. Mais il y a un Conseil national de santé qui dit oui, un tel ne peut pas être traité au Niger, on envoie à l'étranger. Et, l'autre cas, il y a un autre cas, et c'est quand, euh, par exemple, le cas de l'hôpital, ou euh, des cas que l'hôpital, en tout cas, vu son, niveau, niveau tertiaire, mhm. a dépassé mhm. et que ces cas se retrouvent là-bas qu'est-ce qui a été euh, décidé par rapport à ce genre de cas Est-ce qu'il faut, est-ce que l'hôpital a le droit de refouler euh, les gens pour les envoyer au niveau des, petits centres ou pas du tout. Là, mais la seule chose effectivement que nous pouvons, l'hôpital, vous savez, il y a une chose dans les documents c'est bien écrit dans le droit du patient. Mhm. Chacun de nous, effectivement, a droit à utiliser le centre de sa préférence. De sa préférence. C'est aujourd'hui, c'est comme au marché. On ne mhm. peut pas t'obliger à utiliser une boutique dont toi-même tu sais que dans cette boutique-là, il n'y a pas quelque chose qui t'intéresse. Mhm. N'est-ce pas Ça veut dire que vous pouvez aller à l'hôpital. Aujourd'hui, l'hôpital, la personne peut venir à l'hôpital, mais effectivement, il y a un prix à payer. Quand on n'est pas référencé. effectivement, il y a un prix à payer. Tu ne peux pas quand même te lever de la même façon, effectivement, qu'on te prend au CSI, tu vas venir vouloir qu'on te. Mais sinon, normalement, des cas simples ne doivent pas venir à l'hôpital. La conséquence, c'est quoi Lorsque un cas simple vient, tu es là en train de t'occuper de ce cas simple. Automatiquement, on amène une urgence. Mais c'est difficile. Ce temps-là que tu consacres sur ce cas simple-là, ce n'est pas son temps, c'est le temps que tu dois consacrer sur ce cas d'urgence pour qu'il puisse être bien pris en charge. Mais voilà la question, voilà la, grande question. Nous, nous ne refoulons pas, mais nous sensibilisons les gens. Écoutez, un tel, ta maladie là, normalement, ne doit pas être traitée ici. Si, on, résume, c'est mhm. que, en tout cas, le, fait que les gens ne puissent pas respecter cette pyramide, donc, euh, ça impacte beaucoup sur la, la qualité la preuve, de, l'hôpital. La preuve, la preuve c'est qu'aujourd'hui, quand vous allez à l'hôpital, vous allez trouver effectivement nos urgences complètement bondées. Avec des cas simples et des cas graves. des cas simples et des cas graves. Si aujourd'hui, toi, agent de santé, tu dis que non, monsieur, ce cas simple-là, il faut de l'autre côté, on va te voir mal. Mais on fait quand même un effort pour pouvoir te prendre. Après, on te dit, bon, voilà, écoute, ton cas-là, voilà. Et pire, tu vas voir un cas simple qui va vouloir qu'il soit pris en charge avant même le cas grave. Quand par exemple aujourd'hui il y a une heure de temps que tu es arrivé, au moment où je devais te prendre, paf, un cas grave arrive, si je t'abandonne, non, non, non, pourquoi lui qui est venu tout de suite, je l'ai pris alors que je t'ai laissé toi qui es là depuis une heure de temps c'est des problèmes que nous rencontrons chaque jour. ça qui explique le fait qu'il y a beaucoup de gens parlent on souvent se plaint, que euh, on les néglige, on les néglige. Nous, ce que nous devons savoir au niveau de l'hôpital, si c'est au niveau des urgences, c'est l'urgence qui est notre priorité. Et l'urgence, c'est le médecin qui définit l'urgence. Ce n'est pas l'âge, le malade qui définit l'urgence. L'urgence, c'est le médecin. Et c'est quoi une urgence Je crois que c'est très bien mhm. de pouvoir bien la définir. Mhm. Mhm. C'est toute pathologie qui met en jeu le pronostic vital dans un temps record si on ne fait pas attention, mhm. ou bien qui peut entraîner une conséquence permanente. Par exemple, aujourd'hui, tu as un pied, si on n'intervient pas tout de suite, le pied là, il peut arriver à un moment ah, où, on sera obligé de l'amputer. Ça veut dire que ça t'a mis dans une situation mhm. permanente. Mhm. Ou bien de l'autre côté, vraiment, tu es venu dans une situation, si on n'intervient pas tout de suite, effectivement, ta vie risquerait de euh, partir. Nous revenons à vous, Madame Traoré Zenabou. Euh, est-ce qu'on peut avoir un ramassis des difficultés que les usagers des centres de santé publics et privés rencontrent le plus souvent et Le plus souvent, les difficultés que rencontrent les patients, d'abord je vais parler par rapport à l'hôpital parce que c'est là-bas que j'ai beaucoup vécu, mhm. c'est les rendez-vous des, les rendez-vous des médecins tu te lèves le matin au petit matin, tu viens, tu cherches ton papier de consultation, tu vas à la perception, tu payes, tu viens. On te dit à 8 heures le médecin doit être là. Mais tu l'attends, tu l'attends souvent, tu attends même jusqu'à midi. C'est en ce temps que une tierce personne va venir vous trouver, vous dire ah monsieur intel il ne vient pas aujourd'hui le docteur. Donc si vous pouvez l'attendre jusqu'au soir ou bien revenez demain. Par rapport aussi aux interventions chirurgicales, c'est le gros problème de l'hôpital. Il y a trop de, malades qui doivent être opérés. Souvent, on est confronté au manque de matériel. Souvent, on est confronté au manque de chirurgien. Quand je dis manque de chirurgien, donc le chirurgien, il prend chaque semaine des malades, un nombre déterminé des malades. Donc il ne peut pas prendre euh, euh, beaucoup de malades toute la semaine. On vous dit allez-y revenir la semaine prochaine pour le programme prochain. Ainsi de suite. Des fois, vous allez faire un mois avant d'être opéré voyez. Mhm. Et côté accueil au niveau des centres, accueil, pas seulement l'hôpital, hein, de façon générale. Généralement, le côté accueil, on dit que l'accueil, déjà si tu es bien accueilli, tu es à moitié guéri. Mais est-ce que euh, cet accueil est vraiment chaleureux au niveau des centres de santé Plus ou moins. Plus ou moins. Pourquoi je dis ça Par exemple, si vous prenez les urgences de l'hôpital national, ils sont débordés. Vous vous levez le matin, peut-être vous n'avez même pas déjeuné. Vous parlez du médecin ou des infirmiers Des infirmiers. Vous n'avez même pas déjeuné peut-être. Vous venez, vous trouvez toute une ligne et des gens qui se bagarrent souvent pour être les premiers à être pris en charge, alors que leur cas ne consiste même pas à être pris en urgence. Là, vous êtes en train de, de vous mettre la peau dans l'infirmier de oui. pour montrer ce qui pourrait justifier éventuellement le fait qu'ils qu qu font certains actes qui, peuvent choquer les et souvent, excusez-moi du terme, impatients et insolent à l'endroit du Là, personnel. Qui... Oui, non, oui souvent ils sont insolents à l'endroit même du personnel. Parce que quelqu'un, tu viens, on te dit il faut attendre. Il y a une urgence. Tu attends. Toi, ton cas n'est pas urgent. autre, après, tu as pris l'urgence. Entre-temps, encore, on amène une autre urgence. Dois-tu la laisser pour prendre celui qui, qui n'est pas très grand hmm. Non. Donc, souvent, c'est ça qui fait la colère des gens hmm. à l'hôpital donc, par rapport à l'accueil dans certains endroits, ça, on, comprend. Mhm. Mais il faut reconnaître quand même que dans certains endroits, euh, loin de toutes ces pressions sur les infirmiers ou les médecins traitants, euh, quand même, il y a certains comportements euh, qui ne se justifient pas. Bon, nous, allons, nous allons donner la parole au, directeur général euh, adjoint. Il avait évoqué tout à l'heure un certain nombre de difficultés, notamment les rendez-vous, les interventions, voilà. Bon, il faut se dire, Alassane, on doit se dire la vérité à un moment donné. Lorsque il faut se dire que tout à l'heure dans mon intervention, je disais que nous avons pratiquement toutes les spécialités. C'est indéniable. Mais le grand problème, lorsque nous rentrons à l'intérieur de ces spécialités-là, vous allez trouver effectivement certaines spécialités qui n'ont qu'un seul agent. Je prends juste un exemple. Donc ceux-là, les médecins spécialistes, par exemple en gastro, ceux-là qui s'occupent effectivement de tout ce qui a ulcère, de tout ce qui a ventre, tant à trucs comme ça, avec jusqu'à une date récente, jusqu'à une date récente. En tout cas, d'ailleurs même maintenant, actuellement, mhm. nous n'avons qu'un seul agent. Un seul. Un seul agent. Mhm. Un seul médecin spécialiste, gastro. Mais ce seul médecin spécialiste gastro, c'est lui qui s'occupe effectivement des malades qui vont venir visiter. Par exemple, ceux-là qu'on réfère. Mhm. C'est lui qui doit s'occuper effectivement de ceux-là qui sont couchés. Qui sont hospitalisés. Qui sont hospitalisés. C'est celui qui doit s'occuper effectivement de toutes les explorations fonctionnelles, ça veut dire les examens si vous avez une fibro à faire, si vous avez une coloscopie à faire, si vous avez une ceci à faire. Mhm. Il est seul. C'est celui-là, effectivement, qui doit s'organiser pour voir. Et voilà une des difficultés que nous avons. Aujourd'hui, la priorité d'abord, dans un premier temps, pour moi, c'est d'abord à ce malade-là qui est couché. On ne peut pas quitter ce malade-là et aller s'occuper de quelqu'un d'autre alors que celui-là, il a sa vie entre, entre, la, vie et, la mort. Donc vous voyez, et c'est ça qui fait que deux fois, il y a des, ces faux rendez-vous parce que les faux rendez-vous, le plus souvent, c'est parce que nous sommes insuffisants. Je ne défends pas les spécialistes, mais effectivement, nous sommes insuffisants. Mais par contre, effectivement, il y a des endroits où vraiment on est suffisant. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, parce que ces médecins spécialistes qui sont là avec nous, ils travaillent effectivement à l'hôpital mais deux fois certains sont partagés. Sont partagés entre quoi Il y a ceux-là qui sont occupés par l'université, qui enseignent à l'université. Et parmi ces spécialistes-là, effectivement, aujourd'hui le ministère a une stratégie à faire, il fait appel à ces gens-là. Venez nous appuyer en, pour élaborer tel document. Venez nous appuyer effectivement pour faire telle mission. On est obligé effectivement si tu es seul ou bien vous n'êtes que deux, mais vous êtes obligé effectivement certains rendez-vous de les annuler. Mais ça fait partie de nos préoccupations parce que actuellement, même avant-hier, au niveau de la direction de l'hôpital par rapport effectivement à ces rendez-vous parce qu'on a vu des rendez-vous qui sont très longs. Et c'est ça qui pousse des fois, je le dis ici, mhm. qui pousse des fois. Par exemple, aujourd'hui, la personne est venue, on lui a donné un rendez-vous de trois semaines. Mais trois semaines, si tu sais que entre ce que tu vas payer à l'hôpital et ce que tu vas payer à la clinique, peut-être que la différence est 5 000, mhm. tu vas préférer aller dans une clinique faire ça. Et... Là, effectivement, ça fait partie de notre préoccupation et on est là en train de réfléchir pour voir comment amener effectivement les médecins. Quelle est la stratégie que nous allons mettre en place pour amener effectivement les médecins à donner des rendez-vous qui sont courts Qui sont courts. D'abord, un, celui qui, en principe couché, ne doit pas avoir un rendez-vous. Mm. S'il y a un rendez-vous, c'est celui-là là, qui est en ambulatoire, qui va à la maison, qui revient, qui est externe. Mm-hmm. Et comment allons-nous faire pour pouvoir réduire ce délai Vous y pensez nous, Non, nous sommes déjà dedans, nous sommes de plein pied dedans. On est même avant-hier, on a réfléchi là-dessus. Je voudrais, avant que vous continuiez, euh, aborder euh, l'autre aspect par rapport toujours à ces médecins, euh, les, rendez-vous trop longs, les mhm. rendez-vous qui prennent du temps, on vient, le médecin n'est pas là. Il y a aussi certains d'entre eux qui, qui officient dans les, dans les cliniques. Dans les cliniques. Oui, à la <laughs> fin. C'est un véritable problème. J'aurais voulu effectivement que je ne suis pas mieux placé, je ne suis pas bien placé pour pouvoir en parler, mais je vais m'aventurer quand même. Je Sait quand même que beaucoup je vais m'aventurer. spécialistes qui savez, sont au niveau de l'hôpital, il y a beaucoup d'entre eux qui, euh, quand même, normalement, il y a des gens effectivement qui abusent. Mais par contre, mhm. les textes du ministère de la Santé, ça c'est un arrêté, ou du moins c'est un truc qui est là, mhm. qui détermine l'exercice privé les textes réglementaires autorisent les, spécialistes à exercer dans le privé, mais, je dis mais, en dehors des heures de service. Aujourd'hui, si c'est à 17h30 mm-hmm. que tu dois descendre, ou bien tu n'es pas de garde, que tu dois, ou bien tu n'es pas d'astreinte, là, tu peux occuper ton temps de 17h30 là jusqu'à 8h de demain. Et le lendemain, tu reviens tu prends ton service. Mhm. Voilà ce que les textes disent. Mais est-ce que toujours si, respecté, Sauf si, effectivement, ça a été changé parce que ça fait longtemps que j'ai quitté le ministère. Mais je te dis qu'il y a toujours des brebis galeuses. Mhm. On ne peut pas être bon tous. il y a toujours des exceptions. Donc voilà ce que je peux m'aventurer mhm. par rapport à ça. Maintenant, pour continuer par, rapport aux interventions chirurgicales. Oui. oui, Madame Traoré, effectivement, a parlé. Elle a parlé de quelque chose qui peut-être que Maintenant, si on revient, peut-être on est en train de finir avec. Qu'est-ce que je dis Par exemple, aujourd'hui, lorsque vous prenez les urgences, tout ce qui vient au niveau des urgences, vous venez en urgence. Je parle des interventions chirurgicales, urgences chirurgicales. Avant, effectivement, ça se posait comme problème. Mais nous avons mis en place une équipe chirurgicale et d'ailleurs même trois équipes, trois, une équipe composée de trois spécialités. Trois trois spécialités. Parce que les problèmes du Niger, c'est quoi C'est trois. Ou c'est un problème viscéral, ça veut dire que c'est euh, de l'abdomen au niveau du ventre. Là, le ventre ne marche pas, effectivement, il faut opérer. Ou c'est les appendicites, il faut opérer. Mhm. Donc, une équipe formée de viscéraux, une équipe de traumato. Il y a toujours un spécialiste de traumato. Parce que qu'est-ce qu'on a constaté La plupart aujourd'hui, quand vous allez au niveau des urgences, c'est quoi C'est le trauma. Les accidents. Les accidents de la route, les accidents de ceci, les accidents de cela. Il y a eu bagarre, on a coupé le truc ici. Et de l'autre côté, nous avons mis en place une équipe de neurochirurgie Neurochirurgie, ça veut dire que c'est ceux-là, les spécialistes qui s'occupent de tout ce qu'il y a comme traumatisme du crâne, de tout ce qui y a comme effectivement traumatisme de la colonne vertébrale, de tout ce qui a comme mhm. les nerfs, chirurgicalement. Mhm. Mhm. Donc tout ça là, effectivement, et lorsque vous arrivez, à moins qu'il n'y ait quelque chose qui empêche, parce que les gens doivent le comprendre aussi, ce n'est pas parce que tu es venu tout de suite que automatiquement on doit t'opérer. Il y a un certain nombre d'investigations qu'on doit faire. Lorsque ces investigations-là s'y prêtent, on te le fait et on prend les gens. Et actuellement, en ce qui concerne les autres qui, qui viennent, qui sont sans, comment on appelle, sans urgence, il y a un programme réglé. Et ce programme réglé-là, à la fin du mois, à la fin de chaque semaine, effectivement, on, fait la programmation. À l'autre semaine, on fait l'évaluation qui a été opéré, qui n'a pas été opéré. Et maintenant, on reprogramme d'autres. Mieux encore, juste par rapport effectivement à ces interventions-là, on est là en train de réfléchir sur la possibilité de mettre en place une chirurgie ambulatoire. Mhm. C'est quoi chirurgie ambulatoire Il y a certaines opérations qui ne nécessitent pas un lit. Mhm. On te le fait ce matin, le soir, tout va bien, on te dit un tel, tu rentres. Donc, de sorte que ça va nous permettre effectivement de libérer des lits, que d'occuper un lit alors que quelqu'un d'autre en a besoin. Hein, automatiquement, on le fait. c'est quelque chose, effectivement, c'est des choses que nous sommes en train de réfléchir là-dessus. J'allais juste, excusez-moi madame, un malade n'est jamais insolent. Mais c'est nous qui devons faire un effort pour le comprendre. Euh, même euh, l'accompagnant. parce parce qu'aujourd'hui, lorsque qui ne comprennent pas que leur patient, euh, non, lorsque vous êtes malade, un malade ou un accompagnant, imaginez celui qui a son parent entre la vie et la mort. Mais c'est un fou. Mais c'est nous, agents de santé, qui devons faire un effort pour le comprendre. Pour le comprendre. C'est ça la question. Et le plus souvent, c'est ça qui amène certains comportements de nos patients. Bien. Vraiment. Mais bon, comme tu l'as dis, il y a ceux-là, effectivement, qui, quoi que tu leur fasses. Euh, toujours par rapport aux pratiques qui ont cours, euh, madame, euh, parlant des références et contre-références, il s'est dit souvent que au niveau de, des centres publics, quand tu vois qu'on te donne, on t'a donné un rendez-vous très long, tu peux pas attendre. Il y a certains agents de santé qui vous renvoient à une clinique où vous pouvez être pris en charge rapidement. Est-ce que, est-ce que c'est oui, souvent, c'est ces mêmes praticiens qui vous donnent des longs rendez-vous, à peu près un mois. Et si vous êtes impatient, ils vous disent ah, si vous ne pouvez pas attendre, retrouvez-moi dans telle. telle clinique. Là, le patient est pris en charge rapidement à la clinique par celui qui euh, souvent même, a donné voilà, un euh, rendez-vous. Euh, voilà, un rendez-vous long dans l'hôpital. On a aussi vu des cas où des gens sont partis dans les cliniques se traiter après un long séjour sans avoir eu gain de cause. À, la dernière minute, souvent, on les renvoie à l'hôpital. Oui, aux urgences, souvent, c'est ces mêmes gens qui nous donnent du fil à tordre et à retordre, excusez-moi du terme, mhm. parce que souvent, quand il est vont dans les cliniques, leur sou est épuisé ou non épuisé, si leur état de santé ne s'améliore pas, ils reviennent à l'hôpital. Et quand ils reviennent, souvent ils viennent aux urgences, mais ils cherchent à ce qu'on les prenne directement sans attendre qu'il y a des cas graves aussi qui sont là. Bien, j'ai vu euh, le directeur général qui est en train de, vouloir euh, réagir euh, par rapport à ça. Vous savez, l'hôpital national, Keldar, même tous les hôpitaux nationaux, quand nous voyons effectivement des gens partir de les cliniques, nous, des fois, ce n'est pas que. Bon, on s'est dit, ça nous fait un peu mal, mais pas tellement. Parce que la finalité, c'est quoi Quelle qu'en soit la chose, nous, on se dit que tu vas venir nous retrouver. Parce qu'on a vu ce qui se passe dans les cliniques. On a vu. On a vu certaines cliniques, effectivement, comment les soins que ça a C'est vrai que dans la clinique, il y a un véritable cadre d'accueil. Mm-hmm. Le cadre d'accueil y est. Ça, c'est indéniable. Et c'est tout à fait normal parce que ce n'est pas tout le monde qui rentre là-bas. Ça, c'est ceux qui ont de l'argent qui rentrent là-bas. Mais aujourd'hui, si aujourd'hui certaines choses sont un peu difficiles au niveau de nos hôpitaux publics, c'est parce que on a dit que c'est public, on a dit que c'est accessible à tout le monde, même sans ou avec argent tu viens. Alors que tu ne peux pas oser aller dans une clinique si tu n'as pas d'argent. Donc ça, c'est de un. Et encore, effectivement, tout cela, il y a des gens qui ont compris, qui sont, avant, ils ne se traitaient directement dans les, cliniques. Hmm. Mais maintenant, ils sont en train de revenir parce qu'ils ont compris. Ils ont dit, mais finalement, même si je vais dans la clinique, certains examens, on me renvoie à l'hôpital ah, pour pouvoir les faire. Certains spécialistes, on me renvoie à l'hôpital pour pouvoir les voir. Certaines choses, effectivement, on me renvoie à l'hôpital. Et maintenant, ils sont en train de revenir à l'hôpital pour dire que. Parce que c'est un chemin inutile qu'ils sont en train de faire là-bas. Hmm. Donc, c'est vraiment ça. De l'autre côté, vous savez, le fait qu'on envoie dans une clinique, il y a plusieurs raisons. Mais je dis qu'il y a toujours des brebis galeuses. Mhm. Je ne les couvre pas. Mhm. Mais il y a plusieurs raisons de foi. Mais il y a des raisons qui tiennent. Il y a des raisons aussi. La plupart des raisons de foi ne tiennent pas. Mais quand même, quand on s'assoit, effectivement, il y a des raisons qui tiennent. Mhm. Lorsque, par exemple, juste un exemple, lorsque dans une structure publique, on ne fait pas un examen en urgence. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez à l'hôpital, nous avons des, par exemple, certains appareils pour démarrer un appareil, il faut deux fois 100 tubes, 150 tubes, 200 tubes. Ça, on ne comprend rien de ce que ça veut dire. par exemple, un examen de sang, par exemple, qui il faut 100 tubes, 100 prélèvements pour le faire démarrer. Mhm. Mais deux fois, au niveau des urgences, quand on envoie, c'est un seul tube. Mais avec un seul tube, on ne peut pas faire démarrer, euh, la machine. Mais si ça se fait quelque part, si quelque part dans une clinique, il y a une clinique qui, même avec un tube, elle peut faire démarrer parce qu'ils ont des petits appareils, il faut le dire. Donc, si c'est des petits trucs, par exemple, avec un seul prélèvement, l'appareil peut démarrer, mais il y a des moments où on dit, et qu'on veut ça en urgence, il y a des moments effectivement où on dit, va faire ça là-bas, là, pour que tu nous amènes le résultat, pour que rapidement nous puissions prendre ça en charge. Mais en ce qui concerne les examens de masse, ça, c'est l'hôpital, c'est l'hôpital. Parce que certaines cliniques sous-traitent même avec l'hôpital pour certains examens. Je voudrais qu'on aborde un dernier aspect avant de, conclure euh, mhm. cette émission. Euh, Madame Traoré Zenabou, on sait que la qualité des soins de santé englobe non seulement euh, les, soins curatifs, mais aussi les soins préventifs. Alors, Qu'en est-il de, euh, de la prévention, de la situation de la prévention d'un certain nombre de maladies au Niger Les efforts, les efforts qui sont fournis et les efforts qui restent à fournir dans ce domaine, notamment prévenir un certain nombre de maladies. L'État fournit beaucoup. L'État fournit beaucoup d'efforts. Euh, les campagnes de vaccination seulement ne suffisent pas. Il faut qu'il y ait des campagnes d'hygiène et d'assainissement pour que les maladies la regressent. Vous n'êtes pas sans savoir que vraiment, si vous faites un tour dans la ville, vous allez voir des endroits désagréables. Et ces, ces endroits sales-là mhm. sont des nids pour Voilà, ça aide, ça aide à rendre des riverains plus malades mhm. qu'ils le sont. Mhm. Oui. La euh, prévention Oui, la prévention. Ah, mais non, mais, mais, la prévention, moi, c'est pas mon domaine. Hein. <laughs> Moi, je guéris. À l'hôpital, on guérit. Ça, c'est ça. Bon, prioritairement, hein, prioritairement. Mais sinon, oh. effectivement, oh. on fait des activités de prévention aussi. Parce que je vous disais effectivement que l'hôpital a une mission, celle de la mise en œuvre des, des, programmes de santé. Mhm. De la mise en œuvre des programmes. Mais on prévoit. Mais je parle d'une manière un peu générale. Et ce mhm. que je veux dire, hein, mhm. ça n'engage que moi, ah ce n'est pas une question de l'hôpital. Mhm. Ça n'engage que moi. Mais je vous avoue, effectivement, en matière de prévention, le ministère de la Santé fait des gros efforts pour pouvoir effectivement prévenir. Il y a beaucoup de maladies actuellement qui sont en voie d'élimination ou d'éradication, si je peux l'appeler ainsi. Et ça, c'est grâce à quoi C'est grâce aux efforts de la prévention, aux activités préventives qui sont menées dans tout, à tous les niveaux. Mais je vous dis que à tous les niveaux, depuis la case de santé, effectivement, jusqu'au niveau central, il y a des aides. Bon, mais il faut se dire qu'il y a beaucoup de choses qui vraiment euh, qui restent à faire. Comme quoi, par exemple mais Beaucoup de choses aujourd'hui, mais ce qui ne dépend pas aujourd'hui, quand vous prenez l'environnement dans lequel nous sommes, avec le système de changement climatique, il y a beaucoup de pathologies qui sont là, qui, nous arrivent, hein. qu'il faut. Euh, avec aussi notre méthode de vie, il y a beaucoup de ces maladies-là, effectivement, qui sont là, qu'il va falloir. Je parle de tout ce qu'il y a comme diabète. Aujourd'hui, s'il y a une menace, s'il y a une menace, une véritable menace en ce qui concerne la santé de la population, je vous avoue que, en tout cas, nous, en ce qui nous concerne, c'est le diabète, c'est l'hypertension. Les cas aujourd'hui, là, il n'y a pas un cas qui passe où on ne te dit pas qu'il y a un AVC ou bien il n'y a, y a pas un jour qui passe, ah, c'est un diabétique, il faut amputer ou bien il est dans un coma. Et si on ne fait pas attention, ce n'est pas seulement le ministère de la Santé, c'est votre responsabilité, c'est notre responsabilité, c'est la responsabilité de tout le monde. Et vous pensez que ces maladies citées sont liées notamment à notre mode de, vie Ça, c'est notre mode de vie. C'est notre mode de vie. Ça, en gros, si nous voulons agir là-dessus, vraiment, il faut que de l'autre côté, effectivement, qu'on change notre mode de vie. Et là, on comprend bien que l'accent doit être mis sur la prévention. Sur la prévention, exactement sur la prévention. On a dit, c'est la mère de, de, de, mmh, mmh, mmh. La prévention d'abord. Alors, on a vu tout un certain nombre de difficultés, de problèmes, tantôt au niveau de l'hôpital, tantôt en ce qui concerne les usagers. quest que vous, quelles sont les pistes de solutions euh, que, euh, au niveau, à votre niveau, vous êtes en train d'envisager pour euh, rendre, pour désengorger l'hôpital national, pour donner, pour, parvenir à, à, la qualité des soins. Merci, merci beaucoup, effectivement de me donner cette opportunité de me prononcer par rapport effectivement rapidement rapidement je, je vous le dis par rapport effectivement à ce que nous sommes en train de faire on est pris on a pris un volet très très très très important un effectivement l'amélioration du plateau technique l'amélioration du plateau technique mhm. et aujourd'hui euh, de ce qu'est-ce que j'appelle amélioration du plateau technique ça veut dire que doter l'hôpital du, du, du matériel qu'il faut pour qu'ils puissent répondre aux exigences ou du moins aux aspirations de tout un chacun. Nous sommes en train de rendre effectivement le cadre de vie agréable aux patients. Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous sommes en train de réhabiliter le, le, on appelle les infrastructures, les, bâtiments de l'hôpital. Parce que ce n'est pas seulement traiter qui est. Parce que même les conditions de vie, dans lesquelles tu es, effectivement, ça même, effectivement, ça contribue à ta guérison on est en train de voir effectivement comment renforcer l'effectif du personnel. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y a certaines spécialités où il y a une seule personne. Mais maintenant, quelle est la stratégie que nous allons Nous faisons des plaidoyers au niveau du ministère pour qu'il nous renforce en personnel, pour que vraiment nous puissions prendre en charge correctement les, malades. En tout cas, c'est entre autres ce que nous, nous sommes engagés. Vraiment, renforcement du plateau technique, la réhabilitation des bâtiments, l'amélioration le, le, l'amélioration de cadres de vie, mm, mm, effectivement, mm, de, de, de, des patients. Le reste, c'est entre nous. Nous allons nous asseoir entre les patients, entre, ou du moins mm-hmm. les spécialistes et mm-hmm. l'administration. Mm-hmm. Nous allons nous asseoir pour pouvoir bien assainir l'endroit. Madame, votre mot de conclusion par rapport à, ce qu'il est nécessaire d'envisager pour parvenir davantage à une qualité des soins dans les centres de santé. elle vient de parler du matériel. Donc, quand on parle du matériel, il faut aussi avoir et faire la formation des techniciens de maintenance de ces matériel-là. Si le matériel est en panne, il faut qu'on cherche quelqu'un ailleurs dans un pays voisin pour lui dire vient pour nous réparer nos matériels. Et ça met du temps et ça, ça, demande, coûte, des ça demande des ressources. Mm. Donc, par rapport à l'hôpital aussi, il faut décongestionner l'hôpital. Qu'est-ce que, j'appelle décongestionner l'hôpital Peut-être le ministère peut penser à faire un hôpital psychiatrique ailleurs pour permettre à la médecine d'avoir une place. Mm-hmm de l'autre côté. Et en plus, on doit séparer les, les malades et tuberculeux des autres malades. Ce n'est pas fait. le pavillon Raymond Madras est un pavillon où on garde des maladies infectieuses. Il y a les, enfants qui ont souvent le palu et autres. Et par là, cette aile-là, il y a des tuberculeux. Moi, je crois que au CHU, il y a un endroit très vaste, spécialement où on garde les tuberculeux. Est-ce qu'il ne faudrait pas penser aussi à, à euh, améliorer, les amener ailleurs et laisser cet endroit-là pour les maladies spécialement infectieuses qui ne sont pas très Alors, contagieuses. Quelle autre proposition de façon générale de façon générale, et c'est ça ma proposition. Bien, apparemment. Il, euh, va, il a un mot à dire. Je juste euh, un mot. Bon, d'habitude, quand, avant de finir, je, vais demander. C'est un, un, un, avis que je lance effectivement à toute la population, à tous ceux qui utilisent l'hôpital. Mhm. Certainement, il y a ceux qui ne sont pas du tout contents par rapport à ça. Vraiment, de vouloir nous excuser pour certains désagréments et que, comme je disais, effectivement, l'hôpital est en train de prendre toutes les dispositions pour voir dans la mesure du possible comment satisfaire un grand nombre de leurs besoins. En ce qui concerne les autres et les autres points, aspects qu'elle avait, ça c'est quelque chose que nous avons déjà pensé. Mais nous devons faire ça de concert avec le ministère de la Santé. C'est lui qui doit, effectivement, parce que un hôpital psychiatrique, tel que par exemple la spécialisation des hôpitaux, prendre par exemple euh, de l'autre côté, comme on appelle euh, le tuberculeux et les amis. Ça, c'est quelque chose qui est en voie de réflexion mm-hmm, mm-hmm. pour que, effectivement, ça, ça, on puisse répondre efficacement à leurs euh, aspirations. Donc, une fois de plus, et avant de finir, je remercie le studio Kalangu, en tout cas pour cette opportunité qu'il nous a offerte, pour nous prononcer par rapport aux préoccupations de l'hôpital. une fois de plus, merci beaucoup. C'est sur ces mots que prend fin le forum du, studio Kalangou de ce soir. Nous étions en compagnie de Madame Traoré Zenabou, technicienne adjointe euh, de santé et membre du RACEL, le regroupement des organisations et associations du secteur de la santé au Niger, et Bawa Allah Goubekoy, directeur général adjoint de l'hôpital national de Niamey. Merci à tous. Bonsoir.